fuskan shirin ku na fada amunnan mu masu sha'awar shuraren mu a duka fadin kasar mu au micro votre ami de toujours Rabia Mekano Amis de la Fada au Niger, hormis les sports nationaux comme la lutte traditionnelle, les cérémonies de mariage ou plutôt le parcours des organisateurs et invités, souma sun ka inda za a sa su cikin wasannin motsa jiki a kasar mu. <laughs> Tellement ça tourne, c'est carrément chaque week-end. Kuma cikin shirye-shiryen, Arman, hidowa da sayan uniform ya zama kamar a ne. Il ne s'agit pas là des tissus destinés aux élèves, hein, mais c'est des pagnes et des tissus qui colorent les cérémonies de mariage. Faute de données sur Internet, on s'est renseigné auprès de quelques aînés dans Mogane quand est-ce qu'ils ont commencé à voir ces uniformes dans les cérémonies de mariage et à sou, un wannan euh, uniforme kin sun shi ne a mais c'est dans les années 90 que c'est indispensable les cérémonies a fait tache d'huile depuis les cérémonies se démarquent par la couleur les motifs des pagnes et les tissus des invités, mata, yara, kaiwa, hadda, wasumazan si kisina sawa. D'ailleurs, quand tu te trompes de la localisation d'un mariage, tu aperçois une femme qui porte l'uniforme, tu la suis seulement. Tu sais que c'est là-bas. Afar na mutayo, mun gayyato mata wanda su ne suka hidamuwa damuwa da saye da dinka uniform. Mun su. A nan ga Studio Kalangu à pour vraiment en apprendre plus sur euh, cette mode qui est devenue aujourd'hui une tradition, son évolution. Donc ça sera 35 000 de débats colorés comme les bagnes des uniformes, de rubriques chroniques et de la musique. Bien sûr, il n'y a pas de fada sans musique, ça c'est comme les cérémonies de mariage. Hein. c'est parti. Les uniformes, couleur des mariages chez les jeunes, une tendance qui perdure. C'est le thème de cette fada d'aujourd'hui. Donc, je Farida Munkaila, et les jeunes journalistes. Ça va, Farida Ça va. Tu vas bien nous sommes avec Mahamadou Fredo, c'est le seul gentleman de la Fada. Aujourd'hui, tu vas bien, Mahamadou Sois le bienvenu. Nous sommes avec Hassira Ali, elle est étudiante en droit. Ça va, Hassira Tu vas bien Ça va, Super. Nous sommes avec Ramatou Rissa. Elle est également étudiante en droit. Ça va, Ramatou Oui, ça va. Très tu vas bien. Oui, très bien. Je ne <laughs> comprends pas, malheureusement. Voilà, <laughs> ok. C'est pas grave. Lamiatou Halidou, elle est étudiante en administration générale. Ça va, Lamiatou Ça va, Alhamdoulilah Tu vas bien Oui, je vais bien. Farida Hassan, jeune sage-femme euh, pédagogue. Ça va, Farida Oui, ça va bien. Tu vas bien Oui, je vais très bien. Hum, ces jeunes filles qui sont avec nous, elles sont super bien habillées, elles sont chic, la fada est super colorée aujourd'hui. On va rappeler que les uniformes de mariage, aussi jolis soient-ils, ne font pas l'unanimité. Un article du 7 mars 2018 du studio Kalangu faisait cadre de l'interdiction par le sultan de l'Aïr, à compter du mardi 6 mars 2018, de la confection, du port kai da duka wani kaɗe-kaɗe da ake yi a cikin ayarin da ake raka kamar wata amarya za a kai eh, valin cikin amarya duka an hana a duka faɗin birnin agaras zan zo direct ga tambaya ta fari a cikin ku wata ta gaya mana wai manufar wannan uniform kin et sa place dans l'organisation des cérémonies hasira ali kina aikwatanta mini a yanda na gane mutane gani na yi kawai dan son ra'ayinsu shi yasa suke hudu uniform dan son ra'ayinsu ne ba dan wani abu ba kawai hudawa ne suke dan su gyara ganin su gyaran arme ne kawai kowa ya yi shiri a ga kowa inda ya kai shi ya sani abun da gani da na yi musu kenan kawai dan ado ne ba wani eh, manufa mm. gare shi ba farida mun gaida oui est-ce que l'uniforme a une quelconque c'est pas important ou quelle est sa place au fait dans les cérémonies, selon toi Moi, je pense que euh, du premier coup, au fait, les gens font ça juste parce que euh, ils disent que ah, il y a mariage à la famille, il faut forcément que l'autre personne fait, ils ont fait, pourquoi pas nous Et puis on part chez les, on part chez les autres, on fait l'uniforme et nous, on vient ici, ils viennent chez nous, ils vont pas faire, ils vont pas faire Quand même, on n'est pas d'accord. On va faire, et ils vont faire et ils vont pénaliser les gens. Personnellement, je fais ça. Ah, ça. J'aime ça. Comment c'est devenu une obligation On a fait, on a fait, on, a fait de ça une obligation en fait. Tu as un uniforme qui est, eh, kuma à ne nous nous ya yi shi zo wajen ki uniforme qui moi là. généralement c'est qui qui généralement c'est la jeune mariée et sa bande c'est elle qui font des exigences moi je moi contrairement je suis contre ces genres de pratiques non seulement c'est des dépenses inutiles nulles et de nul effet. C'est un gaspillage parce que ça ne va pas avantager qui que ce soit. Imaginez pour un seul mariage, on, euh, arrive à sortir jusqu'à 4 à là on va même rentrer dans ça en profondeur. Ce que je parce qu'il faut que tout le monde comprenne au fait d'où ça vient. C'est qui qui décide que euh, à son mariage. C'est la hein? famille de la jeune mariée. Donc ça peut être sa soeur ou sa tante. même si hmm. elle veut pas, il y a quelque part ses amis qui la poussent à vouloir faire ça. Et du coup, elle ne peut pas. Voilà. Donc, elle, elle, a des gens qui l'influencent. Même si elle est contre, la famille va dire non, toi tu es villageoise, tout le monde quand elle se marie, elle font ceci, cela. Mais toi quand ça vient à ton tour, tu refuses, c'est quoi ces histoires Et elle, voilà, elle va s'adonner. Déjà, elle a été influencée. Quelle des gens une femme qui akwai bayan ta oui, oui. Quoi wata yatta ko wata da ta dole sai an yi ok yo comment on est né comme yi c'est la famille et les amis de la jeune mariée en tout cas euh, si nous prenons de manière générale, c'est ces gens-là qui le font le plus souvent. Les autres, quand tu ne te sens pas lié à la personne, vos relations ne sont pas... Voilà, tu ne te sens pas obligé, alors tu ne fais pas. Quand tu trouves l'occasion se présente, tu fais. Quand ça ne vient pas, quand tu pars, c'est là que tu fais acte de présence, voilà. Ok. Oui. Mais trop souvent, on parle du coût, euh, surtout euh, <laughs> les hommes. Ils parlent souvent du coût, de l'uniforme, ça coûte cher, on leur demande trop d'argent pour ça, les filles, euh, les femmes demandent trop d'argent pour ça. Mais est-ce que c'est beaucoup d'argent Je vais venir vers le seul monsieur qu'on a à cette fada. C'est quoi la somme pour laquelle vous vous plaignez là Oui, bon, vous savez, tout dépendra mm. de, des normes, comme ma soeur vient de le dire, mm-hmm. les normes d'uniforme de, que, La, voilà, que la fille et sa bande essaient de, sortir pour son mariage. Mm. Donc tout dépendra. Vous savez, l'uniforme là, c'est une. Il y a d'autres, elles vont se permettre de dire Ah, moi, ma famille a une bonne réputation, donc euh, on va se permettre de. Ah, je suis d'une grande famille, donc faire forcément. Sortir les basins, les, les les saharis, les toutous. Et maintenant, on a tendance même à vivre euh, un autre événement. Parce que même pendant euh, le moment où on amène la date, les filles, elles essaient même de, de faire encore un autre uniforme, sans même pour un temps être dans le mariage en profondeur. Quoi. Donc vous savez, avoir une femme, et quand elle a un mariage, tu es obligé de gérer. Donc euh, souvent d'autres femmes, elles comprennent que voilà, dans ce mois-là, j'ai fait deux, trois uniformes. Je vais essayer de te soulager un peu. Et d'autres aussi, elles ne veulent pas comprendre. Hmm. Donc, vous voyez, et on ne peut pas chercher de l'argent ou bien bouffer ses économies juste pour faire plaisir à, à, quelques mariages ou bien à, si on non en fait voilà c'est même c'est bien de le faire quand on a les moyens mais on peut pas se permettre de gaspiller tout à cause de ces folklores de la vie quoi ok c'est une dépense qui peut déranger les hommes, même s'ils intègrent ça, que c'est un truc à prévoir. Oui, effectivement. <laughs> Quand tu es en couple. Voilà. Et je vais revenir sur le coût. C'est tout ce que vous achetez et ces épargne. Ça tourne autour de combien, en fait Farida comment kaman nawa ne kuɗin da kuke kashewa bisa kan wannan wani wani wani des ça tourne autour de combien ça peut tourner autour de 100 000 oui ok et en gamme de à 100 oui ou bien des fois ça peut même dépasser parce que pour l'uniforme seulement, maintenant, on ne peut pas avoir une uniforme de genre 5 000. Ils allaient pour 7 000, pour 8 000, voire même pour 10 000. Seulement pour le pain. Et y compris le bazin seulement, tout le monde le sait, c'est à 30 000 les 3 mètres. Les 3 mètres. Bazin qui est à Comment je comme Et y compris les uniformes pour le, le cortège, pour le cocktail aussi. Il y a ça aussi shi voir l'Europe ina comment vous gérez ça <laughs> est-ce que est-ce que les filles vous arrivez à, acheter est-ce que ça vous pose problème comme tout le monde l'imagine Genre, on s'imagine que non, les filles se ruinent, hein, elles, demandent de l'argent aux parents, aux copains. Mais est-ce que c'est vraiment comme ça Ou vous arrivez à jongler ou vous ruinez tout le monde à cause des uniformes <laughs> Est-ce que vous ruinez tout le monde ou vous arrivez à gérer quand même <laughs> les uniformes J'arrive, j'arrive à gérer des fois, même que c'est pas du tout facile, parce que j'entreprends. Mm. Moi, j'aime pas trop demander. Personnellement, quand je demande à des fois, quand on me dit tu demandes de trop, ça me fait mal. Ça te frustre au fait Oui, j'aime pas, donc du coup, j'aime pas demander. Ah, au moins, qui m'a haussa, tout rentre, qui yawa. Qui ni qui compté pour ça, qui da Allah qui m'a haussa. <laughs> Bani tambaya, donc, ina entreprendre da kaina. Mhm. Mais, bani, aje komi. Tout ce que j'arrive à trouver, c'est cikin uniforme qui ah, da. Je vous assure. <laughs> Oh, et ça seulement, c'est la famille. Hein. La famille, les amis. Actuellement, quand tu ne fais pas l'uniforme, c'est que mbakayiba, c'est kaga amriya tamaka hushi même ah, si tu et in ka tay même ko ka tay ka mata aiki tu fais tout amarya hushi take que bakai uniforme ko ko kaji ana kiranka armée ya kusa tu n'as pas payé l'uniforme ah ana ta matsa maka baka sai baka sai baka turo kudi seulement armée ya kusa tu n'as pas payé et je je peux pas comprendre on te force à payer abunda bakada on force à payer abunda bakada on oh, je crois que c'est tellement fort. <laughs> Et on, va observer, on va revenir sur ça en profondeur. <laughs> mais mais d'abord, on va faire un tour du côté okay. de la rubrique. Et on se reprend juste après. Mesdames et messieurs, tout sur Denke Denke. Alors nous lui souhaitons tout simplement la bienvenue. Albora, salam alaikum. Matino. Matgam. Exao. irga bai da kan ko na kai Niger talato kul ga bai bar kan gate danke danke to ka dai ka yon kan dunya bun su su <laughs> mamar ka sai yakubu mumuni danke danke mai ka ti mamar ka sai mai ka ti yakubu mumuni danke danke to yakubu mumun dai ngno sintin jina ayo e mana haikal kwara kan sigine tera ni gungo a gonda kilometer waicin da iye da tera to nugungo nodi ni ne hai sajora kawyara kalen ya de ba fu folonka mm. no di ne hay e man koy maternité mm. e man konda e ba windo me no di no ir koy na e hay no di no e beri kale gonda jiri egga wato di ni te babu tekshi ay wo kur kowno ir kuru di fara sanne sin zakai be ma di ne kun yakuba momori danke danke iru fulon de ndir godi bore kan gwangi nir semo egi milki bo ba kulgi milkan n'o fulan no amanine kante raharnininahay matchinanowonawichara to matakachi andangiti fulantare gome aga moru ifot mora kigidi ngiti baba wani baba kan sigine sambo kan mumuni hay mumuni mone hay anya munot fulan ngumo falaguntu bonkoino bandeino misali ga yakubu moni danke danko nongo fawara bonkoni bandano Oh, madala in e ya do har mu halhu tera mu kono kan mo armuna ta nya sai irma wane onkul hunkunde emission o an kan kan dir misali ga dono kan gote irga bai da kan wani ko glabo nafa mat no wone wo a zumbun da ni sai dono wati fo kina sintin eg bayim dono da irko ne takanda da ego cecem te dono ko imatafo ayo zair ko ne taka ke go zanka e me o man be dab do ni ga mai go nga mai go jirbi mm. parce que atonan kai heire bumbo ine ifone chianda parce que don ko si dumora mm. i dumo men da me don ko si ni mana tubu e mana tubu e babu ladan no agchano ai no ti iduante e bero kanga gide kal fagno agone o sa isna se kal alfa sumana e ber fa ngo jimno ngo taxi mm. afa mo alferino alboro igna se amadu wo kan siji ma ina se nu alfaga gwara ra zimma gwara donu ka gwara donu ka gori da alfero gori da alfero gori do bori hinka mm. sale da hawa mm, ya na ciya da ndiya mm. don ayiwa wo za zank tare de go kuru eg don de go fere eg don de kala ir bumbay ir bore go kungay bon ha ifo nu borao bor fu dumino kala ir ko ye kakte kange babu bu e dir ce ga za za ir kwara kal kal kwaro ray e man te kal jirbi iddu ne yo hebgande e te kala handu iddu woni o borboɓe sibaga to hon kuni gabay <laughs> hande iddu nugote kay kaya kay kay ne on petit marché an sare kay gil carton e sellise igi ngay jine dan irgi jeli se imdu ken kena ra e koy film en du kulkidan ege diya premier deuxième del yeggno del weccinda hakku kal ir koyte kaydi agoka halkaydii he kul kant kawyeze kanfun kawye kulu kuncugu mot fokasigine 11 13 igidi kidangalayim kon bol kulu kulungay labora dangiri wo terani igirgishi to ke be loku cho ningo te kule ko chechu goy kai kamu bora kando edu goy bora di modon ko nu ngiti nya zongo wato di si repete kal zongo fiso dimbo ignace comité no di no igingere repetition ete kinge ensemble en instrumentalite za eg ko gor kanganise ka kala digo ko koy ayno jine classé kala to nan kan digo ko balé fure ayno balé jine ka wani wani ah akbar nodina sintinga no yari gambi sali ga sai san bunul sintinga hande ba nan sintinga do no won wode go kusun ta sin yunwo sen kusse se kal wode kal wat fo wodi ndeni gresire do ne di tama e wodone amanto e mabor fo woni akai bongorano hmm e santu be mon bay kolokol ndi e di dego ka tedi nam kay bongola am yek direnge wo han fo wodi yorani sambu im koy ima ima hanse ima te musique i koy nge couper sambu na faham donc ayo wat fo kala to nan kan ete dang to hal digo digo digo konge fore do imne imna em fur mota la gina de fur mota la bola kur furi me katale wato dim ko <laughs> to mamar kasego groupe bumbo dari mamat kan sintinda wat fo cinano ne créer 96 ngene te 4 ans de formation ek te jazz ek te musique néo traditionnelle ek te to et chele din de kan gono din barion Hussein yon Hussein e haro yon ikuli nde no CFPM mm. kule bongola e eh, naru e festival fokasi gina Afrique Color mm. Afrique Color mo ibore ikakjue ne OCCFN di directeur fo directeur original se Philippe Conrad mm. anenge evite yeshi antanke filistista, que philististe ay no ouverture te mm. France mm -hmm. ko yezo sinting desi thinking ben hiora irto amergi mil kamo Niger talato kulu e dunu bombere kain fo mm sani fono no gonda niger tala to miame za artiste za doni ko za bore kanga hangarse l'instant est solennel l'artiste fo dene ci kan se doni wo nor cheki sate hin kaste charbane irwo itun danga to dangi jirwai kalman bai dul kam zambal hinka inna go dondon dai amma so zanka za bora sitin te kiw ngo delais hinna go gun ste charbane me dinne no fondo émission o neme wala sintene wana o irka gaji Irmicha nous rendez-vous demain dimanche, même heure, même fréquence. C'est que la donne qui va changer. On revient à cette fada. Aujourd'hui, on parle. La fada, elle est super colorée. Il y a plein de tissus de partout. On parle des uniformes de mariage. Comment ça fonctionne ce concept C'est quoi cette mode qui dure Comment elle évolue dans le temps On en parle avec des jeunes filles qu'on a invitées ici au siège du studio Kalangu. Nomo Kagayato, Mamadou Fredo. <laughs> le seul euh, gentleman qui est aujourd'hui avec nous. Nous avons avec nous Hassira Ali, elle est étudiante en droit, Ramatourissa, Lamiatou Halidou, Farida Hassan, De Farida la On peut pas vraiment louper le stress et l'angoisse de certaines jeunes filles sur l'achat et la couture de ces uniformes yanzu kin fara zantar laihi ne in baka sa kenan vraiment laihi ne in baka sa uniform ba yanzu ya zama laihi ya zama laihi parce que kana gani amarya ta sake maka huska ta sake maka huska kuma kuma baka ta yi ba kuma baka ta yi ba in ka yi ta ga ka sai uniform kin kawai ya burge ta ita kamar tu la considères tu as considéré son mm. mariage c'est ça yanzu c'est la fin du monde hein <laughs> là tout est-ce que c'est là OK on peut assister même si on n'a pas fait l'uniforme ça ne mhm. fait rien. Mais parfois, ça plaît pas aux, jeunes mariés. Ah, elle sera pas contente de te voir sans faire son uniforme. Même si tu l'amènes un gros carreau, tu seras pas contente si elle, ne voit pas l'uniforme sur toi. Ok. C'est comme si tu es obligé de faire quoi. Mais personnellement, je reviens vers toi, Farida. Mon personnellement, quand, quand, quand tu n'arrives pas à gérer ça, ça te fait quoi j'y vais pas. Ah, tu vas pas tout simplement Je n'irai pas au mariage. Et pourquoi Je me sentirai peut-être, peu importe ce que je porte, je me sentirai pas à l'aise. Alors j'irai pas et puis j'invente un gros mensonge comme ça. <laughs> et puis, vous ne pas, pas assister. j'y vais pas. Et, du coup, si j'arrive à faire aussi uniquement le pain, si j'ai pas d'argent, j'achète uniquement le pain. j'irai vers les 13h ou 14h comme ça. Je reste, je fais un acte de présence, elle m'a vu, habillée, et puis je pars chez moi. Ça, je pars chez moi. Je reviens pas le soir. Et je ne reviens pas le lendemain aussi. Si t'as pas les uniformes là. Ah, je vais pas venir. J'irai pas. J'irai ah, pas. En fait, je ne me sentirai pas à l'aise au fait. Peu importe ce que je porte, c'est comme si je n'ai. Je suis pas arrivée au niveau des autres qui ont porté ça. Et si tu arrives à comprendre un peu. Waouh. Je ne baka sa je ne man uniform ba ka ba mutane ke ba ma ma ma baki samu je vais pas j'ai 20 euros mon sang je vais pas et puis je te dis que je suis malade j'étais malade et puis forcément ouais je prépare ça il y a une qui peut nous dire je vais venir vers euh, toi Rama Tourissa si tu étais une jeune mariée qu'aurais-tu préféré que tout le monde porte ton uniforme ou qu'on t'amène de gros cadeaux, de jolis paquets, des assiettes, des fourchettes Qu'est-ce que tu aurais aimé que tes ah, copines... Moi, j'aurais aimé qu'on m'apporte des cadeaux, hein. parce que ça, au moins, ça va m'avantager. Mais quand tu portes l'uniforme, tu vas euh, euh, juste venir, je vais te voir, tu es bien habillée. Et eh, je n'ai rien, en fait. Tu m'apportes pas un gain. Il n'y a pas un gain. Mais tant que c'est les cadeaux, ça m'est profitable, bénéfique. Voilà, tu remplis ta cuisine, quoi. Ah, oui. <laughs> Donc, tu le comprends Si euh, le comprends, euh, bien qu'il y a des fois dans les familles, qui qui ça veut dire que c'est Amaria, famille, généralement, bah, ça, mon cikin wannan babu wani jari babu wani kuɗi da ke kawai commerçant ne na su ne wannan harka cette fois-ci on va aller en musique ben on parle de cérémonie de mariage cérémonie de mariage ici ça rime avec orchestre ça me proposer entre Almeida ou Maliaro qu'est-ce qu'on va mettre comme musique rythmée pour rythmer notre fada uniforme ah oui c'est Maliaro qui fait le buzz mais laquelle des chansons de Maliaro on va mettre sur cette émission alors celle qui fait danser les gens au mariage, c'est laquelle Bon, c'est c'est pas Maïga, voilà. Oh, <laughs> Donc, on va écouter Maïgaï de Maniaro et on se reprend juste après. et c'était une de ces chansons qui fait danser euh, nos amis jeunes lors des cérémonies de mariage. L'orchestre, c'est un must, c'est vraiment indispensable les cérémonies. Yanzu, Zanzo ta avez-vous un quelconque souci avec cette tendance oui, vraiment. <laughs> Qu'est-ce qui te pose problème C'est quoi ton souci Moi, c'est les tailleurs. <laughs> Uh-huh. C'est tout, hein. Parce que tu ne peux pas te dire, ah, je veux venir. C'est même en commençant par l'argent d'abord. Ah ouais. Parce qu'en temps normal, je ne travaille pas. Où est-ce que je vais avoir l'argent et tout ça Et il faut forcément que je fasse l'uniforme, la coûte que coûte. Donc, vous voyez, si je ne trouve pas cet argent-là, je veux faire tout mon possible, coûte que coûte, pour acheter cet uniforme-là. Et après encore, je dois encore payer le tailleur pour que mes coûte ça encore. Et encore, il y a des gens qui font le maquillage encore le ah, make-up. Il y, a le make-up. Il y a le make-up, il y a, la coiffure, il y a oui, les tresses les sons et tout. En fait, ça te pose problème vraiment. Que à chaque chambre de mal, je suis vraiment. <laughs> Je n'étais te ça. Quel est le cas où il donne une uniforme Il n'a qu'à arrêter ça vraiment. Ah, toi, quand je cours. Il t'a faire la tête, il ça m'a aidé. Et toi, on a qu'à chaque chambre de ya et cheta. Toi, zanzo, zanda, wajanki. Hasira, qu'est-ce qui te pose problème? Qu'est-ce qu'on a haraka uniforme? Toi cikin harkan uniforme ni komi ma ça me pose problème in ina samu kawai a daina comment c'est pas que je suis contre les uniformes non ana iya huda zane guda shikenan kamar yadda ake da dama akwai uniform mai sai sai fa exaggeré kamar cikin fami a hidda zane guda ba kowace ba kowace kuzin da army a hidda nata akwai ma suna so sai su yi sai fa un problème hum. mais voilà, amma a da bazin de sahi a de zani de rana sahari de dare le lendemain na cocktail yanzu har da journée traditionnelle qui ma uniforme ni ina nan zamna kawai na fara gani abunga ga mm, kawo dot ma yanzu da 'yan mata sahari gato komi ga sunan dai au lieu de diminuer ba ku aiki ba ku komi sai ci gaba abun yake franchement c'est devenu un fléau moi ça me dérange de trop voilà. Là, c'est chaud. ça me dérange de tout. Le, le, fléau coloré avec des designs. En tout cas, c'est fatigant. <laughs> je vais venir vers toi. Euh... Trissa. Toi, déjà, tâche un <laughs> Vraiment, cette affaire-là, ça te dérange. Ah <laughs> Mais qu'est-ce qui te dérange le plus C'est les nombres pléthoriques des exigences qui sont là. Parce que vous savez, faire un uniforme, c'est pas un mal. Il faut le faire, mais avec modération. Quand il y a un mariage, il faut enlever, faire sortir un ou deux uniformes. Là, c'est acceptable. Les uns et les autres peuvent le faire. Mais aller jusqu'à 4 à 5, c'est dérangeant. Vous fatiguez les gens. Ça, en fait, la, la, personne même qui va se mettre dans cette posture, il ne va rien accomplir de grand. Il ne va pas booster son patrimoine, il ne sera pas autonome ni indépendant elle va le faire juste pour se voir, hein. pour se faire voir, plaire aux uns et aux autres. S'habiller, on dit, ah, elle, est toujours bien habillée quand on fait une uniforme, Et les gens ne réfléchissent pas. Comment elle, elle fait pour avoir Toi, tu ne travailles pas. Tu étudies. Tes parents ne sont pas riches. Mais par quel canal, par quel moyen tu vas passer pour avoir tous ces uniformes Et la jeune mariée te tire la tronche parce que tu n'as pas fait. Ah, mais oui <laughs> Mais je trouve que la, jeune mariée, elle, doit être compréhensive, elle doit se dire que vraiment, nous ne sommes pas au même pied d'égalité. Si une telle peut faire ceci, cela, moi je ne peux pas. Peut-être elle est là des parents qui, qui la financent. Eh moi, ce n'est pas le cas. Moi, je compte sur moi-même. Je parle les parents riches, donc euh, je ne peux pas me lancer de cette posture, faire tout le temps des uniformes. Chaque semaine, c'est des uniformes. Pourquoi je vais les faire J'ai un objectif, j'ai des rêves à accomplir. Tant que je, je ne cesse pas d'investir dans ces uniformes, je ne ferai rien de bon, rien. Je n'irai nulle part, je ne vais rien accomplir de grand je ne veux pas booster mon patrimoine. Ah, c'est un gaspillage. Hein. Je ne suis pas de là. Non, non, moi je suis de ceux-là euh, qui luttent contre cette pratique parce que c'est une mauvaise pratique. Vous allez investir jusqu'à 150 000 pour un seul mariage Fredo, on va finir avec toi toi, au fond, qu'est-ce qui te dérange Bon, dans les histoires d'uniformes, là, moi, ce qui me dérange, vraiment, c'est le fait de juger trop que à chaque mariage, il faut que moi me fais les uniformes là. Donc, vous voyez, c'est pas facile. C'est-à-dire la vie qu'on essaie de mener et avec les revenus, supporter les familles et la famille, les charges, il y a les enfants, il y a les scolarités, il y a tout. Donc, euh, qu'est-ce qu'il y a, Mata? suis Lisa, je suis Nazari Sosei. don su sauƙaƙa ma maza fiske yau a yi abubuwa sun yi yawa kwa kamar a ce mutum ma'aikaci ne gashi nan in baka da gidan kanka kana biyan wuta kana biyan ruwa kuma a zuwa sa maka prison kullum sai an sa bala kun gani ko wannan abun birema ya kamata ce mata su ma su kawo nasu gudunmuwa kamar su taimaka ma maza su rage musu yauni kwa Mm. to kenan kai fredo ina gane zan canka? mata mm. su rage wannan yadin su diba su gani cikin gida mi suke yin unhwanawa kuma an ma ba ka iya badawa ma shi kuma gida ce a sauƙaƙa mishi to mun gode yanzu kan mu yi kwana kwata-kwata da wannan abokan namu da muka gayyato a yau a nan cibiyar studio kalangu za mu ba olivier dama ya zo mana da Ça va Ça va très bien et toi Ça va très très très bien, Dieu merci. Et toi bien uniforme qui ça te plaît ou pas Tu sais, quand tu n'as pas de l'argent, tu ne vas pas vivre comme les gens qui ont de l'argent. Donc, <laughs> euh, <laughs> chacun, connaît son giga. <laughs> chacun connaît son giga. T'as quoi pour nous aujourd'hui ah ah, Bonjour les amis, comment allez-vous Écoutez, moi si je vais très bien. Chers amis auditrices et auditeurs, bonsoir. Ce soir dans la chronique, Rabi, on va parler d'identité. Vous savez, on grandit avec les réseaux sociaux. Et je pense que nos enfants qui vont naître ou bien qui sont en train de naître déjà euh, vont être euh, ceux qui seront un peu nos, nos héritiers. Et parmi les héritages qu'on va leur laisser, probablement, il va y rester nos comptes Facebook, nos pages Twitter, nos comptes LinkedIn et tout. C'est pour cela, ce soir, j'ai envie de parler de l'identité. Auparavant, l'identité d'une personne se relie seulement à sa culture, à sa langue, à sa religion, à son habillement. Mais aujourd'hui, on a ce qu'on appelle une identité digitale. C'est-à-dire, il y a Olivier de la vraie vie et Olivier des réseaux sociaux. Il y a. C'est quoi votre nom Vous êtes sur les réseaux sociaux Justement. Vous êtes sur les réseaux sociaux Oui. Et vous, c'est quoi votre nom Farida. Vous êtes sur les réseaux sociaux oui. Qui n'est pas sur les réseaux sociaux finalement ici Personne ici. <laughs> Donc, vous voyez, aujourd'hui, un des points communs qui nous relie, nous, ceux, de ceux et celles de cette génération, c'est aussi les réseaux sociaux. Du coup, c'est indéniablement pour nous. Du coup, les réseaux sociaux sont indéniablement pour nous une identité commune. Et cette identité, cher amis, ce soir, j'aimerais bien que on l'entretienne. Parce que l'objet de cette chronique, c'est que j'ai fait un constat. Les gens disent, c'est pas, c'est pas ce que je fais sur les réseaux sociaux qui détermine ce que je suis dans la vraie vie. Mais grosse erreur. Parce qu'on ne peut que donner ce qu'on a. Et on ne peut que refléter ce qu'on est. Qu'on soit bon ou mauvais, gentil ou méchant, ce qu'on dit sur les réseaux sociaux reste ancré en nous. C'est comme moi aujourd'hui, je joue le bad boy sur les réseaux sociaux et j'ai envie de faire croire aux gens que dans la vraie vie, je suis un garçon bien. Même si c'est le cas, ceux qui auront la chance de me rencontrer le diront, mais ceux qui n'auront jamais la chance de, me rencontrer garderont une seule identité de moi et ça sera mon identité digitale. Pour conclure cette euh, chronique, J'aimerais rappeler à tous ceux et celles qui nous écoutent que l'identité digitale est désormais plus importante que notre vraie identité à nous. L'identité digitale dicte ce que nous sommes parce que on est libre de publier ce que nous voulons, quand nous voulons, comme nous le voulons. Mais personne n'a choisi d'être Aoussa ou Peul, d'être Zarman ou Tamashek, tout simplement parce que ça, c'est un héritage de nos parents. Mais aujourd'hui, je suis responsable de ce que je publie, vous êtes responsable de ce que vous publiez, et cette identité, vous l'avez choisi. Et pour ceux et celles qui nous ont écoutés, soignez votre identité, car quoi qu'on dise, quoi qu'on veut, notre identité digitale nous suit partout et notre identité digitale nous représente là où nous ne sommes pas. Parce que c'est à travers les écrans et c'est géré par des algorithmes. Merci beaucoup. <coughs> Donc, soignons nos identités digitales. Merci Olivier, merci pour cette chronique. Ben, euh, amis de la FADA, c'est la fin de cette première partie de la FADA Frontière au ça. Nous étions avec nos jeunes filles qui nous ont aujourd'hui parlé d'une tendance qui perdure depuis les années 90. Euh, il y a une qui l'a appelée fléau, <laughs> perdure et évolue et euh, avec le temps, avec l'influence des, modes des pays voisins. En tout cas, c'est une forme ne fait toujours pas l'unanimité. Avant c'était les hommes, mais maintenant même les filles. Cikin et matama ma akwai enda su wannan harkan yari in suna samu a shi, a hidda shi. a dama samu kuɗin nasu su cikin wani abu da yadi ba kuma amare su hushi in ba. kana yiwa mutunan baya da ne <laughs> kuma kai ya matsa ka a matsa ma mutane a ce dole he an yi to kun ji dai hirar muka yi tare da wa'annan matasan su dai wannan yadi in suna samu ko a rage shi ko a rage kuɗin shi ko kuma a hidda shi kwata-kwata to sai in ce a huta lahiya sai an jima.